le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Mainasoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Aujourd'hui, 30 novembre 2016, c'est la journée nationale de la liberté de la presse. Nous sommes cette année à la troisième édition. La journée du 30 novembre nous rappelle la signature en 2011 de la déclaration de la table de la montagne par le président de la République Issoufou Mamadou. La table de la montagne appelle à l'abolition des lois pénales concernant les délits par voie de presse. Cette année, les festivités sont organisées par la Maison de la Presse qui a retenu pour cette troisième édition le thème de six ans de dépénalisation, quel bilan ce matin, les professionnels des médias, des membres du gouvernement et des partenaires se sont retrouvés à la maison de la presse pour donner le coup d'envoi des festivités. Au cours de la cérémonie, il y a eu des interventions comme celle du président de la maison de la presse. Ibrahim Haroun a fait le bilan des six ans des dépénalisations vues, bien sûr de la maison de la presse. Autre intervention, celle du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Niger et représentant résident du PNUD, Foden Ndiaye constate que l'espace médiatique nigérien s'est vraiment élargi avec des chaînes de télévision, des radios, des journaux, mais floraison des titres ne veut pas dire forcément prendre en compte les préoccupations des citoyens. Vous suivrez aussi d'autres acteurs comme euh, le directeur général de la chaîne de télévision Niger 24 avant d'aller en région écouter le directeur de la station régionale de la, radio de Amfani Difa zone de guerre où l'exercice de la profession de journaliste n'est pas aussi simple que cela. Enfin, pour nous accompagner tout au long de ces 45 minutes d'antenne, nous avons en direct dans ce studio M. Seydou Arji. Euh, bonsoir Seydou. Bonsoir. C'est à ma droite. Vous êtes expert en communication. Merci d'être venu et bonne fête aussi. Merci. Et à ma, à ma gauche, euh, Baba Alpha, qui est le secrétaire général du syndicat des agents des travailleurs de l'information et de la communication cinétique. Bonsoir à Baba. Bonsoir à Marie. Et merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. C'est donc euh, la, jour, la célébration aujourd'hui de la troisième édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Alors, pour planter le décor, on va essayer de définir le thème de liberté de presse. Je vais commencer par l'expert en communication, c'est Edouard J. Liberté de la presse, qu'est-ce qu'il faut entendre par ce, concept, ce thème Merci. Ça paraît évident parce qu'on en parle chaque jour, mais c'est une expression qui est incontinue. La liberté de la presse, il faut dire que c'est un droit qui a été consacré par les instruments juridiques internationaux et nationaux et depuis la nuit des temps, je dirais, depuis l'institution du régime démocratique. Quand on parle de liberté de la presse, ça signifie que d'abord, tout individu a le droit à l'expression. En fait, la liberté de la presse est une composante de la liberté d'expression. Tout individu a droit à la liberté d'expression. C'est la, liberté de parler. Oui, de parler, d'écrire et de répandre ses idées. Et maintenant, la composante liberté de presse est faite au moyen des médias. Là, vous avez un support qui vous permet de vous exprimer. Ça peut être la presse écrite, qui est le moyen précurseur, des journaux, et nous avons aussi l'audiovisuel, la radio, la télévision, et aujourd'hui, vous avez même la presse en ligne et d'autres moyens électroniques. Et lorsqu'on parle de liberté de la presse, ça veut dire que nous avons des organes qui sont créés librement par des individus ou des associations qui exercent librement, qui disent ce qu'ils pensent, qui donnent l'information au public, bien évidemment, dans le respect des lois et règlements prévue par le texte, parce que cette liberté de la presse est aussi encadrée du point de vue des textes. Il y a des normes juridiques, mais aussi il y a des normes professionnelles qui sont convenues au niveau des acteurs, au niveau des journalistes et des associations socioprofessionnelles des médias. La liberté de la presse est une composante de la liberté d'expression. Tout à fait. Qui est, qui est reconnu par la constitution nigérienne La liberté d'expression est reconnue, autant aussi la liberté de la presse. Lorsqu'on parle de la liberté d'expression, ça concerne tout le monde. Tout citoyen a la liberté de s'exprimer. Maintenant, lorsqu'on veut au niveau de la liberté de la presse, c'est l'expression qui est faite au moins des médias. Et c'est là où justement aussi on consacre la liberté de la presse à travers, je disais, la création des médias. On est libre de créer les médias en suivant bien sûr les procédures. On est libre de les animer tout en respectant les procédures. On est libre aussi de traiter des sujets d'intérêt national. Donc il y a une certaine liberté qui est permise, en ce sens qu'on ne devrait pas, à contrario, interdire aux citoyens d'exercer cette liberté. On ne devrait pas interdire aux citoyens de créer des organes, de les animer, de diffuser l'information et d'organiser des débats, par exemple. Le contraire, c'est Le contraire, c'est vraiment une négation de la liberté de la presse. Et dans ce cas, on tombe dans un cas de non-droit de l'oppression, tout simplement. On va revenir tous ces aspects d'oppression, certainement je vais donner la parole à Baba Alfa, qui est le secrétaire général euh, du syndicat des national des travailleurs, des agents des travailleurs, de l'information et de la communication synatique. Baba, vous, vous êtes sur le terrain, au-delà de la définition théorique qu'on peut apprendre sur les papiers. quelle autre définition vous, pouvez donner en allant sur, euh, sur la base du terrain Bon, je ne pense pas qu'il y ait une différence entre euh, ce qui est dit dans les textes et dans la pratique. S'il faut parler du terrain, c'est peut-être vérifier la réalité de ce qui est écrit euh, dans les textes sur le terrain. Sinon, c'est la même définition. C'est comme il l'a si bien dit en tant qu'expert euh, en communication, c'est vraiment l'expression de cette liberté d'exprimer euh, ses opinions, d'exprimer ses convictions, de répandre ses idées. Et donc, c'est ce qui est matérialisé à travers les supports de communication qu'on utilise au niveau de la presse, à travers la presse écrite, la presse audiovisuelle, c'est-à-dire les radios et les télévisions, et aujourd'hui, il l'a si bien précisé, la presse en ligne. Donc je pense que euh, euh, c'est à travers tous ces supports qu'aujourd'hui, dans le contexte démocratique, les professionnels des médias euh, expriment tout ce qu'il y a comme opinion. Et surtout, ce n'est pas seulement les opinions, mais aussi donne l'information, l'information utile, l'information qui prend en compte l'intérêt public, l'information qui doit être traitée et qui doit être diffusée. Donc je pense qu'il n'y a pas, a priori, de différence entre l'esprit et la lettre des textes et ce qui se passe sur le terrain. Mais concrètement, sur le terrain, est-ce que c'est cela voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Sur le terrain, il y a effectivement des problèmes. Ça, c'est une évidence aujourd'hui en termes de conditions de vie, de conditions de travail pour les professionnels des médias, en termes de, garantie de la liberté de la presse. Les textes ont garanti cette liberté. Les textes euh, ont, encadré cette liberté de la presse. Mais sur le terrain, il y a plusieurs acteurs qui participent. Il y a les, acteurs, les principaux acteurs que sont les journalistes, les professionnels des médias, il y a aussi les autres usagers de la presse, il y a les décideurs qui, doivent garantir cette liberté de, la presse, qui doivent respecter ce qui est écrit dans les instruments juridiques au plan national et au plan international, et ce n'est toujours pas le cas. Il y a des abus de part et d'autre, il y a les abus au, niveau des journalistes, il faut le reconnaître, il y a aussi les abus au niveau des autorités qui n'arrivent plus à, je ne sais pas, à croire, mais à respecter ce qui est écrit textuellement au niveau de, de tous euh, ces, instruments juridiques. Euh, c'est d'où, euh, vous qui êtes expert en communication, quels sont les autres acteurs de la liberté de la... Il a essayé de les citer. Qu'est-ce qu'on peut dire des acteurs et quel est chacun, enfin Non, en fait, je pense qu'il y a trois acteurs. Le premier acteur, ce sont les hommes des médias eux-mêmes, les journalistes. C'est eux qui exercent. C'est eux qui jouent de cette liberté de la presse. Deuxièmement, vous avez le pouvoir public dont le rôle est de garantir la liberté de la presse en vertu notamment des instruments juridiques internationaux qui ont été ratifiés par les Niger en tant que pouvoir public, ils doivent garantir cela. Ah, juste un peu pour revenir en arrière, quand vous parlez des journalistes comme acteurs, on, parle des journalistes, on parle des gouvernants, y compris les et journalistes et Je voudrais terminer. Et troisièmement, le plus important, le public. Parce que tout ce qu'on fait, c'est au service du public. Et c'est justement là, lorsqu'on parle de la liberté de presse et qu'on parle de l'information, on dit qu'on doit donner une information qui soit utile et qu'on doit faire œuvre de service public. C'est ça la finalité, en fait, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. C'est pour servir le public, lui donner une information de qualité qui puisse l'orienter, qui puisse lui permettre de prendre des décisions idoines. Donc, ça, c'est trois acteurs qui sont importants. Et maintenant, il y a aussi un aspect dont il faut tenir compte en matière de la liberté de la presse, c'est aussi les, ceux qui ont la capacité de créer des organes de presse. Je veux dire les promoteurs d'entreprises de presse. Parce que la presse, autant, elle est un droit, il faut dire qu'il y a un caractère économique là-dedans. Qui a la capacité de créer des organes d'information qui a la capacité de créer des grands groupes d'information C'est ça aussi la question y compris sur la liberté de la presse, parce que lorsque ces personnes créent des groupes de presse, ce n'est pas par philanthropie, c'est soit ils veulent gagner de l'argent, ou bien ils veulent se positionner, avoir de l'influence. Et c'est là où justement parfois le journaliste se trouve dans des difficultés entre la liberté de la presse, à laquelle ils aspirent, et c'est qu'on veut leur faire faire du point de vue éditorial pour servir certains intérêts. Et vous avez aussi le pouvoir public qui veulent aussi, ça c'est dans tous les pays du monde, contrôler la presse. Donc la presse elle nous dit que tout le monde veut contrôler, que ce soit sur la sphère politique, que ce soit sur la sphère économique. C'est justement l'enjeu qu'il y a au niveau de la liberté de la presse. Et c'est là où les journalistes, justement, à travers les organisations, doivent défendre cette liberté parce qu'elle n'est jamais acquise. D'accord. Elle n'est jamais acquise de, ces acteurs qui est le plus qui peut amener à, nuire à la liberté de la presse et Nuire à la liberté de la presse, de façon concrète dans nos pays, ce sont les pouvoirs publics à travers les appareils de maintien de l'ordre et à travers les appareils judiciaires. Vous avez des pays qui ont des peines d'emprisonnement. Dieu merci, au Niger, avec la dépénalisation intervenue en 2010, et dont nous célébrons aujourd'hui le sixième anniversaire, les journalistes ne vont plus en prison pour les délits de diffamation, d'injure, de diffusion de fausses nouvelles. Mais ce n'est pas pour autant acquis, parce que nous avons assisté à des poursuites qui ont été initiées sur la base du code pénal. Les droits communs qui ne devraient pas être appliqués aux journalistes parce que on se retrouve dans une situation où le pouvoir public ne pourra plus poursuivre les journalistes sur la base du droit de la presse qui leur est propre. On cherche par des arguments ou des raisonnements juridiques à leur faire appliquer le code pénal alors même qu'en droit, on le dit, les droits spéciaux priment les droits généraux. Donc, voyez là, c'est des... droit. problèmes. il y a les pouvoirs publics et puis, euh, vous dans une moindre mesure, les autres acteurs. Surtout les brutalités policières que nous avons constatées ces deux dernières années, notamment en 2015 et en 2016. Et je l'ai dit ce matin, lorsqu'il y a eu les manifestations consécutives aux événements Charlie Hebdo, c'est pratiquement tous les groupes de radio-télévision qui ont été embastillés et des journalistes ont été aussi violentés et leur matériel de travail confisqué. Des exemples pratiques, Babarva qui, pour qui, euh, de ces acteurs qui ont été cités, euh, qui est le plus qui fait entorse à la liberté de la presse non, mais c'est évident. ce n'est pas uniquement les pouvoirs publics, ça il faut le dire, mais les principaux acteurs, en tout cas, qui peuvent et qui ont la capacité de faire entorse euh, à la liberté de la presse, c'est les pouvoirs publics. C'est eux qui disposent de la force publique, c'est eux qui ont les moyens de contrôler la presse, c'est eux qui ont les moyens d'intimider la presse, d'embastiller la presse, et c'est ce qui se passe dans plusieurs pays du monde, y compris au Niger. C'est eux qui ont le, le, pouvoir économique et aussi de contrôler la presse, parce qu'il y a des exemples ici au Niger où des organes ont été achetés par les pouvoirs publics d'une manière ou d'une autre. Donc, le principal acteur qui peut faire entorse à la liberté de la presse, c'est d'abord les pouvoirs publics. Il y a ensuite les professionnels des médias eux-mêmes. Il faut le reconnaître. Parce que quand vous abusez de votre liberté, vous faites entorse à l'esprit, à la lettre des textes qui vous garantissent la liberté de la presse. Donc, il y a aussi, effectivement, les professionnels des médias. Voilà donc ce qu'on peut retenir pour cette première partie de définition de la liberté de la presse. On va observer une petite pause. À 18h31, je le disais en début de ce forum que les professionnels des médias, les membres du gouvernement, et des partenaires se sont retrouvés à l'occasion donc euh, de la Journée nationale de la liberté de la presse. Ils se sont retrouvés euh, à la maison de la presse pour donner le coup d'envoi des festivités. Et au cours de la cérémonie, il y a eu plusieurs interventions, dont euh, notamment celle du président de la maison de la presse. Il, il a mis l'accent sur le thème qui a été retenu, six ans de dépénalisation, quel bilan Alors quel bilan la maison de la presse tire Écoutons Ibrahim Harouna. Même si par ailleurs, certains diront qu'il est trop tôt pour parler d'un bilan après seulement six ans de pratique, mais en suivant de près l'environnement actuel dans lequel la profession s'exerce, on ne on ne peut ne pas s'inviter à faire un état de lieu de la situation. En effet, l'analyse des différents rangs occupés par le Niger dans les six derniers classements de, Reporters sans frontières sur la liberté de la presse qui, depuis le classement 2011-2012 où le Niger a fait un bond spectaculaire, passant de la 104e à la 29e place, soit 75 places de gagnées, une prouesse due essentiellement à l'effectivité des libertés dans notre pays, au cadre législatif favorable à l'exercice de la profession, mais aussi au message fort libéré par les autorités qui s'engageaient à promouvoir la liberté de la presse et la promotion des journalistes dans l'exercice de leur métier. Mais un an seulement après, le classement honorable évoqué plus haut, le Niger s'est malheureusement retrouvé dans le classement 2013 à la 43e place, soit une perte de 14 places du fait seulement du fait, selon un reporter sans frontières, de l'irresponsabilité de quelques journalistes tentés d'abuser de la liberté qui leur est accordée. Puis en 2014, c'est l'État qui était en cause dans le recul accusé par le Niger du fait des interpellations répétitives des journalistes à cause de leurs opinions. Ces rappels prouvent à suffisance tout l'intérêt pour nous, acteurs des médias, de nous pencher tous ensemble avec les différents partenaires pour trouver les voies et moyens devant nous permettre d'harmoniser nos rapports en faisant en sorte que chacun puisse jouer son rôle en toute responsabilité pour la promotion de la liberté de la presse au Niger. Mesdames et messieurs, chers invités, en dépit de tout, de tout l'espoir est permis de voir au Niger l'état de la liberté de la presse s'améliorer davantage. Les perspectives s'annoncent prometteuses au vu de l'évolution de certains textes dont l'adoption aura un impact certain pour la promotion de la liberté de la presse au Niger. Il s'agit principalement de la convention collective des médias et le décret sur la publicité par voie de presse. Mesdames et messieurs, l'adoption de ces deux textes, j'en suis sûr, apportera un changement notable dans l'épanouissement des médias au Niger et subsidiairement dans l'amélioration des conditions de vie des journalistes. Voilà, vous venez de suivre le président de la maison de la presse, Ibrahim Harouna, qui fait le bilan euh, des six ans de dépénalisation. nous revenons au studio pour retrouver nos invités et nous commençons par Baba Alpha, qui est le secrétaire général du syndicat national des agents de travailleurs de l'information et de la communication Synatique. Baba Alpha, vous avez été aussi euh, président de la maison de la presse. Vous avez suivi votre euh, successeur. C'est un bilan que vous acceptez évidemment, je suis d'accord avec euh, le bilan dressé par euh, Ibrahim Marouna. Il a dit toute la vérité par rapport en tout cas à la réalité de la liberté de la presse au Niger. Je trouve simplement que bon, c'est une allocution. Il y a des détails qui n'ont pas été apportés, mais ce qui est évident, au lendemain de, de la dépénalisation des délits commis par voie de presse, les premiers à apporter un coup dur à la liberté de la presse, ce n'était pas. Ceux qui ont signé, ce n'était pas. Ceux qui ont garantissent cette liberté de la presse, c'était plutôt ceux qui bénéficient des textes, c'est les journalistes. Évidemment. Et pourquoi les journalistes Ils en ont abusé. Tout de suite, euh, les journalistes ont pensé que la, dépénalisation était un chèque à blanc, c'était une licence à tout faire, ce qui était interdit avant était permis aujourd'hui, et nous avons assisté d'ailleurs à des nouveaux acteurs qui sont rentrés dans la presse, et qui ont saisi cette opportunité de définalisation pour faire du métier du journalisme un moyen de, s'enrichir très rapidement. Toujours des journalistes ou bien des responsables de non, médias Vous savez, au Niger, le, le, le, malheureusement, c'est une réalité. Le métier le plus facile à embrasser, c'est le journalisme. L'entreprise la plus facile à asseoir au Niger, c'est une entreprise parce presse. Parce que justement, c'est la liberté de la presse. C'est justement à cause de cette liberté de la presse, mais c'est aussi à cause de l'insuffisance d'un certain nombre de textes. il faut le reconnaître au niveau donc euh, de, de, la presse nigérienne. Donc, on, va, revenir à ces insuffisances. Je vais demander à l'expert en communication, Edouard J, de nous définir euh, cette thématique de dépénalisation et de la déclaration de la table de la montagne qui a quand même euh, le 30 novembre 2011 euh, et qui est célébrée aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la dépénalisation Quel est son contenu et, quel est le lien avec la déclaration de la table de la montagne euh, En matière de droit, lorsqu'on parle de <coughs> dépénalisation, excusez-moi, la dépénalisation consiste à enlever tout châtiment, toute sanction à un acte précis. La bipolarisation implique une absence totale de sanctions, qu'elles soient sanctions euh, de prison ou sanctions d'amende. Donc, il n'y a ni peine privative de liberté. le journaliste n'ira pas en prison. Ni peine pécuniaire. C'est ça l'essence strict de la dépénalisation. Mais par abus au Niger, lorsqu'on parle de dépénalisation, notamment dans les milieux journalistiques, comme on le fait aujourd'hui, on voit seulement la disparition des peines privatives de liberté. Alors qu'il subsiste des amendes qui ont même été aggravées dans la nouvelle loi. C'est pour cela que nous préférons parler de dépénalisation partielle. Parce que on a supprimé les peines de prison pour une catégorie d'infractions, ce n'est pas pour toutes les infractions. Et ces infractions, c'est la diffamation, c'est l'injure, c'est la propagation des fausses nouvelles. Donc c'est pour ces infractions seulement que le journaliste ne va pas en prison. Les autres infractions, elles ont été transférées au niveau du droit commun. Mais Comme, lesquelles, par exemple Comme le euh, les, de sédition, lorsqu'on même la diffusion de fausses nouvelles aujourd'hui, elle est transférée au niveau du droit commun. Et vous savez, lorsqu'on parle de diffusion de fausses nouvelles, elle a un aspect de sédition en ce sens qu'elle dit, même lorsqu'elle est susceptible de troubler l'ordre public, elle est punie de telle ou telle amende. Même lorsqu'elle est susceptible. Ce n'est pas lorsqu'elle a provoqué un problème, mais lorsqu'elle est susceptible de troubler l'ordre public. Vous voyez là, on rentre dans la législation anti-sédition. Donc, pour revenir au concept de la dépénalisation, au Niger, nous avons une dépénalisation partielle. Parce que même lorsqu'il y a la peine d'amende, nous sommes toujours dans le domaine pénal. Donc c'est pour ça on parle de dépénalisation partielle, mais dans le jargon journalistique aujourd'hui, dès qu'on parle de dépénalisation, les gens voient l'absence de peine de prison. Et ça s'explique parce que nous venons de loin nous avons assisté à une période où pour un, an, les journalistes sont envoyés en prison. Trois mois, six mois, voire un an. Donc c'est pour cela que lorsqu'on a fait la réforme, les gens ont applaudi, ils ont dit on a dépénalisé. Mais il y a quelques problèmes même avec l'amende. C'est vrai. À travers l'amende, on peut tuer aussi les médias. Les médias. Lorsque les médias sont condamnés à des forces d'amende et qu'on applique la procédure de saisie ou de recouvrement, ils peuvent s'écrouler. Tout comme ce que les gens ne comprennent pas. Un journaliste peut toujours aller en prison par le canal de l'amende à travers le système de la contrainte par corps. heureusement, jusqu'ici au Niger, et les magistrats, la justice n'a pas appliqué le système de contrainte par corps qui, signifie... qui consiste que lorsque quelqu'un ne puisse pas payer l'amende, il soit gardé. Mais c'est en vigueur. Le code pénal le permet, la contrainte par corps. Et c'est là justement une des insuffisances de notre texte portant dépénalisation. Il y a mm. des choses, et on l'a dit ce matin, les textes actuels doivent aussi être toilettés et réformés parce qu'il subsiste encore des pièges et des non-dits. Baba euh, il il y, a la dépénalisation à certains contenus, les, choses ont évolué en matière de liberté, mais quelles sont les insuffisances que vous avez vues, et que vous constatez sur le terrain en matière de dépénalisation qui signifie quand même une bonne avancée de la liberté de la presse euh, euh, La première insuffisance, c'est que dans l'esprit, pour nous en tout cas, bénéficiaires de cette dépénalisation, c'est que les journalistes ne retourneront plus en prison mais non seulement ils ne seront plus privés de leur liberté, mais nous avons assisté, malgré l'adoption de cette loi, que les journalistes sont privés de liberté. Comment ils ne sont plus envoyés, ils ne sont plus placés sous mandat de dépôt, sauf un cas qu'il y a eu au cours de cette année 2016, mais ils sont privés de leur liberté parce qu'ils sont gardés à vue à la police judiciaire on vous, on vous, on vous interpelle. Un vendredi après-midi, vous restez jusqu'au lundi. Le lundi, on vous renouvelle la garde à vue et le mercredi, on vous présente devant un procureur, il vous libère. Alors, pour nous, tout le combat a été mené pour empêcher les peines ou non les privations de liberté pour les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Mais l'adoption de cette loi n'a pas empêché que les journalistes soient privés de leur liberté, ne serait-ce que pour une semaine ou pour six jours. Et ça pose chez nous un sérieux problème. Et nous pensons que ceci doit être réglé à travers le texte. Parce que les juristes, y compris Seydou Alji qui est ici présent, nous ont fait comprendre que la loi parle de placement sous mandat de dépôt, la loi ne parle pas de garde à vue. Et pour nous, l'esprit de la loi, c'est l'abolition de toute forme de privation de liberté pour les journalistes. Et pour nous, la garde à vue est une privation de liberté quelle qu'en soit la conception juridique que les, experts ou les spécialistes en ont. Pour nous, quand un journaliste est gardé à vue, il est privé de sa liberté, il est privé d'exercer son métier pendant au moins une semaine. Et au bout de six ans, il y a quand même. Euh, c'est bien, c'est que. Est-ce que la dépénalisation a été appliquée comme ça se doit et est-ce que vous en êtes malgré tout les insuffisances dont vous avez euh, ah, relevé J'avoue, j'avoue honnêtement, que sur ces six ans, ces six ans et, de là où nous, sommes, nous avons quitté en 2010 à aujourd'hui, il faut le reconnaître qu'il y a eu des avancées. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Hein. Nous sommes journalistes. Il faut se certaines je parle même des journalistes. Des journalistes. À l'époque, il y a des insuffisances ou des abus qu'un journaliste euh, peut commettre qui, qui l'amènent en prison. Mais avec la loi, les journalistes ont échappé à ces, à ces condamnations. Donc pour nous, il y a eu des avancées, mais nous, insistons qu'il y a des insuffisances. Mais il y a eu quand même pour un cas, le cas du, fondateur du courrier et du directeur de publication, qui, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ont été placés sous mandat dépôt pour avoir donné une information qui n'a pas été du reste démentie. juste une dernière question à Sédou. Euh, est-ce que la dépénalisation a contribué à améliorer le contenu journalistique et euh, oui et non. Oui, en ce sens que, à travers la dépénalisation, il y a eu une variété de thématiques. Parce qu'il y a des thématiques qu'on n'osait pas aborder sous l'ancien régime, de peur d'être taxé, euh, d'être taxé euh, de, de quelqu'un qui fait de la sédition ou qui porte atteinte à la sûreté de l'État ou, qui peut être accusé d'intelligence avec l'ennemi. En fait, tous les dispositifs répressifs de la sédition et de la sûreté de l'État. Donc, le fait de dépénaliser permet aux journalistes aujourd'hui de faire des investigations sur des terrains sur lesquels ils n'osaient pas s'aventurer. Et ça se constate Ça se constate à travers beaucoup de révélations y compris si je vous donne un exemple, il y a des, articles qui parlent de malversations autour de l'achat d'un avion présidentiel, autour des armes qui sont achetées dans le cas de la lutte contre l'insécurité et autres. Ce sujets n'était pas abordable avant parce que facilement on pouvait dire que vous entrez dans les secrets militaires ou bien facilement y une autre infraction, atteinte au moral des troupes. On dira facilement que vous voulez atteindre le moral des troupes et on vous embastille. Donc la dépénalisation a eu l'avantage de permettre aux journalistes d'élargir les champs de leur investigation et d'avoir une liberté de temps plus prononcée. Voilà, on va poursuivre avec euh, une autre intervention, toujours ce matin. Euh, celle du coordinateur résident du système des Nations Unies au Niger et représentant résident du PNUD, M. Foden Ndiaye, euh, donc le représentant résident du PNUD euh, qui appuie les médias dans, leur, dans leur travail. Il constate que l'espace médiatique s'est élargi, mais élargir les médias ou bien élargir l'espace médiatique ne veut pas dire prendre en compte la préoccupation des citoyens. Je vous propose de le suivre. Je constate avec vous que l'espace médiatique s'est élargi, avec une dizaine de chaînes de télévision, une centaine de titres de presse écrite et plus d'une centaine de radios, dont les radios communautaires, sans compter une presse en ligne foisonnante. Cependant, à mon humble avis, il faut plus. L'actualité ne s'arrête pas seulement à Niamey. Elle n'est pas que politique, même si le landorno nigérien, comme dans la plupart des pays africains, est essentiellement friand des derniers remue-ménages voire remue-ménage politique, des dernières rumeurs politiques ou des dernières joutes oratoires ou des informations sensationnelles, des fois pas vérifiées. Je voudrais juste citer le proverbe qui dit que le mensonge peut donner des fleurs, mais pas de fruits. Donc il nous faut vérifier davantage nos informations. Les citoyens ont besoin d'informations de qualité, fiables, crédibles et disponibles à temps sur les objectifs de développement durable, sur les engagements des dirigeants au plan national mais aussi local, sur les enjeux socio-économiques des territoires et du pays, sur les connaissances nécessaires à un mieux-être. C'est tout cela qui forge le citoyen afin qu'il joue son rôle comme gardien de la démocratie et de la reddition des comptes des dirigeants nationaux et locaux, comme participant aux prises de décision, y compris par le biais des élections, pour choisir son dirigeant, pour débattre des problématiques sur population et développement, sur le terrorisme, sur les changements climatiques, sur le genre, sur les mariages précoces et autres faits sociétaux, pour améliorer son comportement et contribuer ainsi à promouvoir, je cite, l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Fin de citation, il s'agit de l'objectif numéro 16 des objectifs de développement durable. Quel vaste champ, quelles immenses opportunités pour les journalistes, mais à condition que ceux-ci et celles-ci aient une formation profonde et diversifiée en économie, en sciences politiques, en sport, en droits de l'homme, en sciences et en technologie que ces personnes aussi soient engagées dans la quête de la vérité et armées des principes fondamentaux de déontologie. Il y en a beaucoup au Niger, mais il en faut plus, il en faut beaucoup plus. Il en faut plus, il en faut beaucoup plus. Mbaba Alva, en tant que journaliste, en quoi est-ce que vous êtes interpellé par le message du représentant résident du PNU, de Fodé Ndiaye Je trouve qu'il a posé le véritable problème qui se pose à la presse nigérienne. Euh, c'est une réalité, sinon même plus la presse africaine. Nous avons malheureusement une presse sensationnelle, une presse qui s'intéresse beaucoup plus à l'actualité politique. Parce que l'aspect économique de l'exercice du journalisme se pose. Et aujourd'hui, le journaliste nigérien ne sert au public que ce qui l'intéresse. Aujourd'hui, c'est une réalité. Euh, le lecteur nigérien ou l'auditeur ou le téléspectateur nigérien est beaucoup plus intéressé par ce qui se passe entre le MNST et l'UMANA et entre PNDS et MNST que ce qui se passe au ministère de la Finance, de, du ministère des Finances, disons, en termes de budget, en termes de politique économique, en termes de politique environnementale, en termes de politique et pourquoi les journalistes font ça ils ont quand même le loisir de, Ils ont le loisir de le faire, mais c'est aussi l'exigence du public. C'est ça aussi. La, je ne dis pas que le journaliste doit aller dans ce sens toujours, persister à donner que l'information sensationnelle et en pensant que au revenu qu'il peut tirer du traitement de l'information, il doit aussi participer à la formation, à la conscientisation du public. Mais nous avons une presse qui, a du mal à s'en sortir avec les moyens financiers qu'il a. Et il pense que, euh, cette presse, excusez-moi, elle pense qu'elle ne peut pas traiter d'une autre question qui n'intéresse pas plus d'un pour cent de l'auditoire ou des lecteurs. En fait, c'est ça le véritable problème. L'auditeur nigérien ou le lecteur nigérien est beaucoup plus intéressé par l'actualité politique que toute autre actualité. Et le journaliste maintient malheureusement l'auditeur ou le téléspectateur dans cette posture. Il ne fait absolument aucun effort pour démontrer à cet auditeur ou à ses lecteurs qu'il y a d'autres informations beaucoup plus intéressantes qui peuvent participer à sa formation au quotidien que l'actualité politique. Oui, c'est d'où euh, L'information de qualité, l'information qui concourt au développement. Je, commence là où Baba Alpha finit. Je pense que les journalistes doivent proposer des, des informations alternatives à la politique. La politique, elle est noble, elle se tient tous les jours dans les villes et les hameaux. Mais il y a des périodes de pic, notamment les périodes électorales et préélectoral. Mais je pense que les médias doivent servir à mieux que ça. À mieux que ça, en ce sens que il y a beaucoup de problématiques sur lesquelles les journalistes doivent travailler, s'intéresser à des sujets d'intérêt public, à des sujets d'intérêt de développement. Ils doivent le faire, mais là aussi, nous avons une certaine, problème. Nous avons une certaine limite c'est la capacité des journalistes à le faire et j'évoque la question de la spécialisation. Donc, lorsque les journalistes. La spécialisation s'entend, si le journaliste doit être un homme de Il doit avoir une connaissance dans des domaines bien précis. Nous avons des journalistes qui sont spécialisés en matière de santé, en matière économique, en matière environnementale, ou qui ont des prérequis ou des notions. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas on sert au public les sensationnels qui l'intéressent ou l'information politique, le public s'en contente. mais je suis convaincu que si on lui proposait des informations utiles et bien élaborées, il va s'y habituer et peut-être réclamer cela. Mais et justement, pourquoi les journalistes font ça Il y a un chantier. Bon, il y a la facilité aussi de la colère de l'information politique. Vous savez, le politicien a son agenda. Le politicien, tous temps qu'ils sont, ils veulent utiliser les médias à leur profit. Lorsque vous leur tendez le micro, ils veulent l'utiliser pour faire avancer leur agenda politique. Ils font de la communication. Et ce n'est pas l'information. Et c'est là où le journaliste, quand il n'est pas prudent, il dit de servir de caisse de résonance au parti politique. Et c'est malheureusement ce que nous constatons parfois. Lorsque vous allez suivre des affrontements de joutes oratoires des partis politiques par journalistes ou par médias interposés. Et c'est ça qui est malheureux. Pour revenir à l'utilité des médias, je pense que les médias, qu'ils soient publics ou privés, on dit qu'ils sont, qu'ils remplissent une mission de service public. Nous avons beaucoup aujourd'hui des thématiques qui sont présentes sur lesquelles on doit sensibiliser les gens. Je voudrais parler du chantier de la décentralisation qui est ouvert, de la gouvernance locale. Il y a la question des changements climatiques aujourd'hui qui est en train de ténayer nos sociétés. Il y a beaucoup de choses. On peut utiliser les médias pour l'éducation. Il y a des programmes éducatifs. Je pense que nous devrons évoluer vers une diversification de l'offre informationnelle. Et c'est en cela que les médias vont jouer véritablement le rôle de service public au service des communautés et non au service des groupes politiques ou d'intérêts économiques. merci pour ces précisions. Nous allons écouter un journaliste. On va sortir de Niamey pour aller à Difa. Difa est une zone de guerre où la profession n'est pas facile à exercer. Je vous propose de suivre euh, Adam Babou à Difa, euh, mais il n'y a pas eu beaucoup de manifs, il euh, n'y a pas eu euh, de cérémonies officielles. Mais au niveau de nos radios, nous avons parlé de cette journée et, euh, pour un peu rappeler à l'opinion publique à Difa, voilà la fête aussi la journée contre moi de la presse. Le thème de, la, le, le thème de cette journée, c'est le bilan de la dépénalisation six ans après. Qu'est-ce que vous, en votre entendement, vous entendez par dépénalisation et comment ça se concrétise là-bas sur le terrain ben, Dépénalisation, ça veut dire qu'un euh, un journaliste pour un délit de presse ne devrait pas euh, aller en prison. Mais euh, un vrai journaliste ne devrait pas aller en prison. il faut qu'il donne les informations en respectant, comme on dit, les règles de l'éthique et de la déontologie. si on est impartial. Si on traite bien les informations, je pense que ce monde n'a pas sa place ici. Vous, vous êtes euh, pratiquement dans une zone de guerre. C'est difficile peut-être de faire le travail. Est-ce que la dépénalisation a contribué à améliorer le climat de travail On euh, fait euh, ce travail en respectant l'éthique et la déontologie. Comme je viens de le répéter, hein, ici, c'est une zone de conflit où toute l'information est trop sensible. Alors, chaque fois, c'est avec des pertes en vie, c'est une information douloureuse, hein, très, très regrettable, avec des, pertes en vie humaine, avec des attaques, avec des kamikazes. Nous, à notre niveau aussi, euh, on est trop prudents pour donner l'information. Euh, Vous n'avez pas eu de problème avec euh, les pouvoirs publics, avec bon, les autres acteurs de la situation on n'a pas véritablement eu de problème depuis le début de cette crise. Ça fait à peu près 21 mois que la, la, est une situation d'insécurité. Alors, euh, il n'y a pas véritablement des problèmes parce que nous, on vérifie l'information. En fait, nous a réduit un peu euh, cette euh, peur d'être emprisonné ou d'être interpellé par les autorités ou autres acteurs. Si vous avez un conseil à donner à vos autres confrères pour que la dépénalisation soit une réalité, qu'est-ce que vous allez dire ben, que je vais dire, c'est dire les faits, dire ce qui est vrai. Il faut prendre parti. Hein. Le respect de l'éthique et de la déontologie est important dans le traitement de l'information. Si le, si le collègue respecte ce qui a été dit, ce qu'ils ont étudié, sans prendre parti, je pense que les gens vont faire leur boulot sans pour autant être interpellés par qui c'est soit. Voilà, notre confrère de, la radio Amfani Difa, Adam Baboukarna, sur la célébration de la journée euh, nationale de la liberté de la presse. Je vais aborder, on n'a pas tellement de temps, nous allons aborder euh, ces aspects d'avancée qui ont été dites par euh, le président de la maison de la, de la presse. Il a parlé de la convention collective des médias et de la publicité. La convention collective, euh, ça fait longtemps qu'on en parle, Baba Alpha. Qu'est-ce qui bloque Pourquoi Ce qui bloque, c'est d'abord l'autorité de l'État et la volonté des, des promoteurs des médias. C'est ce qui bloque la convention collective. La loi sur la publicité, c'est aussi, à ce niveau aussi, c'est la volonté des pouvoirs publics qui manque. La convention collective, tout ce qui concerne la littérature a été écrite et les euh, employeurs, tout comme employés, sont d'accord là-dessus. Euh, c'est la, grille salariale, qui manque. Et à ce niveau, les promoteurs ont posé un préalable. Il faut ou une redevance pour les <laughs> médias privés ou la loi sur la publicité. Alors, nous avons appris que la loi de la publicité n'est plus à l'ordre du jour. On parle d'un décret pour réglementer la publicité au Niger. Et les promoteurs de médias ne sont plus d'accord. Ça veut dire que ces deux textes ne sont pas pour demain. Il faut un rapport de force, notamment des, journalistes et personnels des médias, pour trouver une solution à la situation. C'est d'où est-ce que cela peut régler le problème euh, Pourquoi les professionnels les, responsables des médias vont dans ce sens en, quelques secondes Et comment faut-il faire pour améliorer euh, Je pense que les promoteurs jouent leur intérêt. Les intérêts des, des promoteurs ceux des travailleurs sont antagoniques. Ça, c'est clair. Et à mon avis, celui qui doit jouer l'arbitre, c'est le pouvoir public. Il peut le faire C'est le pouvoir public qui doit trancher cette question et qui doit créer les conditions de la mise en œuvre de la Convention collectif Parce que tant que les journalistes sont dans des conditions précaires, il ne peut pas avoir de liberté de la presse et on va perdre des acquis. Et je finirai par appeler la devise de l'Union internationale des journalistes, de la Fédération internationale des journalistes, qui dit, je cite, il ne serait avoir de liberté de presse lorsque les journalistes vivent dans des conditions de peur et de corruption. Voilà. Ça, Une belle conclusion, c'est Je rappelle que vous êtes ancien journaliste, notamment Alternative. Et voilà, euh, ainsi prend fin ce forum d'aujourd'hui. J'ai eu comme invité Baba Alpha, secrétaire général du syndicat des agents de travail de l'information et de la communication, et Cédou Arji, expert en communication, et bien d'autres acteurs que vous avez suivis à l'occasion de la journée nationale de la liberté de la presse au Niger. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre thème. Bonne soirée. France des journalistes du monde entier.